quotidien d'aujourd'hui, lundi 16 septembre 2024. Test de lecture, Genèse chapitre 14, lisant à partir du verset 1 à 16. Genèse chapitre 14, lisant à partir du verset 1 à 14, à 16 plutôt. Dans le temps d'Amraphel, le roi chinéen, d'Arjoc, roi de Lassar, de Kedula, Omer, roi de l'Am et de Tédéal, roi de Gonjin. Il arrivait qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Bécha, roi de Gomorre, à Che-Neab, roi d'Adman, et, de, et à roi de Sheboim, et au roi de Béba, ou bien de Béla, qui est Thor, oui, qui est Asuhar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedor la Homère, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. cinq 5. Mais la quatorzième année de Kedor la mer, et les rois qui étaient avec lui se firent en marche et ils bâtirent les Raphaïm à Acheteroth, Karnaïm, les, Zunzim, les à Ham, les Emim et à qui Kirjatahim, et les Oiriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chêne de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers en haine, qui est à Kadesh, et bâtirent les Amalécites pour, bien sûr, tout leur territoire ainsi que les Amoriens établis à ou bien Hachason, Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma et le roi de Tchéboïm, le roi de Béla qui est Shoar et qui rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedolamer, roi de l'âme, Tidéal, roi de Gonjin, Amraphel, roi de Chénéa et Arjok, roi de la Sar. quatre rois contre cinq. La vallée de Siddim était couverte de depuis et de Butume, le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes les provisions et qu'ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses siens l'autre fils du frère d'Abraham ou bien d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Le verset 13. Ils fuirent et un fuyard vint l'annoncer à Abraham le Breu, Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amourien, frère d'Excol et le frère d'Aner, qui, qui avait fait l'alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il alarma 308 de ses plus euh, brave serviteur né dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, et qui est à la gauche de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 12 qui dit, « Ils enlevèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome. à Sodome et ils s'en allèrent. » Selon Genèse chapitre 14, le verset 12. Amen. L'apparition de Colorado Central Magazine du 1er décembre 2009 a publié cette histoire qui disait ceci. Le, dit, le 25 novembre 1895, une pierre angulaire de glace a été posée à Leadville, dans le Colorado, marquant le début du plus grand palais de glace jamais construit en Amérique afin de soutenir l'économie défaillante de la ville. Les habitants ont organisé un carnaval d'hiver. Le jour de l'an 1896, la ville s'est déplacée pour l'inauguration. L'immense palais mesurait 450 sur 320 pieds. Les tours qui flaquent l'entrée mesurait 90 pieds de haut. À l'intérieur se trouvait une patinoire de 16 000 pieds carrés. Quatre mois plus tard, le palais fondait sous le fait de la canicule de cette année-là. Avec lui fondirent aussi les espoirs de Lidville et l'espoir commercial tant entendu. D'après notre texte, Lot, le nouveau ou le neveu d'Abraham, fut capturé avec sa famille à la suite d'une bataille soldée par la défaite de Sodome et de Gomorre. Lorsque la triste nouvelle parvint à Abraham, il poursuivit et engagea les hommes dans une bataille qui se terminera par le sauvetage des prisonniers de guerre, y compris Lot et sa famille ainsi que leurs biens. Après cet événement, Lot resta à Sodome, espérant peut-être une guérison qui jamais ne vint. Il finit par tout perdre dans le feu du jugement qui a consumé Sodome, Gomorre et les villes environnantes. L'autre partie à la recherche de la, vanité, la vanité. Son choix de s'installer à Sodome était basé sur les raisons économiques. Il s'était laissé séduire par la prospérité de la ville alimentée par le commerce florissant du sel. Il n'a pas vu le danger pour sa vie spirituelle, dans son désert ou bien dans son désir de trouver les pâturages plus verdoyants, il s'est éloigné d'Abraham et du peuple de Dieu. À l'instar de Lot, de nombreuses personnes quittent leurs milliers de zones à faible revenu économique pour se rendre dans les régions prospères du monde dans l'espoir de s'assurer une vie meilleure. De même, les gens changent d'emploi et sillonnent le monde des affaires à la recherche des meilleures opportunités. S'il vrai que rien de tout cela n'est en soi mauvais, il est autant plus nécessaire de veiller à ce que la considération première de cette décision soit l'impact du nouvel environnement sur notre foi en tant que croyants, tout comme le projet de palais des glaces qui a échoué au Colorado, le temps de la chaleur viendra tôt ou tard. S'il s'avère qu'il s'agit en réalité des projets ou des affaires vaniteux tout peut fondre aussi rapidement que la glace construite, sans qu'il soit possible d'y remédier. Amen. Pensez du jour. La seule endroit sûr est dans la volonté de Dieu. La seule endroit sûr est dans la volonté de Dieu. Amen. La Bible en un nom. Nombre chapitre 19. Nombre chapitre 19 à 21. Nombre chapitre 19 à 21. Amen.